bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence. À l'écoute de la référence, il est 12h à la grande mosquée de Medina Bay et ici à l'immeuble cher Imam Hassan Sissé, d'où nous émettons. La même heure à Léona Nyasen, Léona Kanen, Bouchra, Sikhaï, Sanya, Bamba, Touba, Bandorang et Yakao Sarafal. Alpha FM, la référence, vous l'aurez deviné à juste titre. C'est le rebut journal dont voici les titres. Au sommaire donc de cette édition arrêtée hier à Mbaké sait que l'un des présumés membres de la force spéciale ainsi raison à l'administration pénitentiaire qui, il y a quelques jours, avait annoncé son évasion du pavillon spécial de par la voie de son président d'y condamner une attitude qui ne fait que corser les mesures déjà lourdes de la prévention. Au niveau des liens de privation de liberté, nous y reviendrons. La journée internationale des infirmiers et infirmières d'État levée hier dimanche à Kaulak en présence du président de l'Association nationale, une occasion pour revisiter les rouages d'un métier qui a toute son importance dans le secteur de la santé. Les détails à suivre dès le début de ce JP. Et puis politique sur la route menant à l'Assemblée nationale du Sénégal. Les échos de la campagne électorale à Kaulaka à suivre au courant de ce JT dont le sommaire se résume ainsi à la technique Code du Restez avec nous tout de suite le développement. Le journal Nefa la technique, donc, Code Sec Kenemé, la journée internationale des infirmiers et infirmières d'État célébrée ce dimanche par la section régionale de l'ANIDES, de l'ANIDES, donc une organisation pour revisiter un métier qui a toute son importance, je vous le disais tantôt, dans le secteur de la santé vieille L'Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés d'État du Sénégal a organisé hier la journée internationale d'infirmiers par une conférence. Ibrahima Vieux Diagne est le président régional de la dite association. C'est une association qui regroupe tous ceux qui sont infirmiers d'État ou qui ont été infirmiers d'État. Donc si aujourd'hui on parle de l'association nationale des infirmiers, infirmiers diplômés d'État, c'est juste attirer l'attention des gens de l'importance de cette tranche professionnelle qui fait qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on est en train de faire, vous savez que l'infirmier est au début et à la fin du processus de santé. On se réunit, c'est juste pour rappeler que cette association qu'on appelle est bien présente au niveau de la région de Kaolack comme elle l'est dans tout le pays. On est en train d'organiser cette cérémonie où on a eu la chance d'avoir le président national. Le thème retenu, la protection infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Tout le monde connaît ce que la profession a traversé ces jours passés, ce qui fait qu'aujourd'hui, il était temps qu'on fasse une introspection par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées et pouvoir se dire aujourd'hui que nous sommes importants dans l'échiquier sanitaire. Notre importance dans l'échiquier sanitaire fait qu'aujourd'hui, on doit reprendre notre place au niveau du système de santé et faire prévaloir la profession infirmière. C'est juste reprendre par rapport à ce que on puisse dire aujourd'hui que l'infirmier est un manager, l'infirmier est un leader. Ibrahim vieux est aussi revenu sur la problématique notée dans le secteur de la santé. Se dire aujourd'hui que dans cette fonction, il y a une insuffisance et c'est en cette certain moment, tout le monde croit que tout le monde est infirmier. Aujourd'hui, ce que l'on ressent par rapport aux ressources humaines, on a une insuffisance de cette ressource humaine qu'on appelle infirmier d'État. Alors qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, si c'est dans la profession infirmière, elle est la crème de cette profession. Donc, ce qu'il faut surtout attirer l'attention par rapport aux autorités, c'est non seulement de renforcer le recrutement en infirmé d'État, mais aussi de réfléchir sur une très grande prise de responsabilité par rapport à cette profession. Cependant, la nouvelle génération est invitée à renforcer et à a participé dans la définition des politiques nationales de santé. De santé noire biaïa et à ce titre, l'Association nationale des infirmiers et infirmières diplômés du Sénégal tire un bilan positif depuis la mise sur pied de la structure à ce propos suivant son président national Ismaël Mbaye. L'association nationale des infirmiers a été créée en juillet 1965 par des doyens qui ont su très tôt senti le besoin d'organiser la profession, d'organiser la profession pour la promotion de la profession infirmière d'une part, mais d'autre part pour pouvoir garantir des soins de qualité au grand bénéfice de nos populations. Et depuis lors, donc de 1965 jusqu'à présent, ça fait plus de 50 ans, nous aussi nous avons pris le relève pour essayer de jouer le jeu tel que tracé par nos doyens pour faire valoir véritablement la promotion de la profession dans notre pays. Ce que je peux dire en tout cas en termes de bilan, c'est l'orientation et la politique de promotion et de mobilisation des infirmiers autour de l'essentiel d'une part pour faire reconnaître leur position dans le système de santé. Le fait de susciter aussi cette euh, envie de vouloir obtenir la création de l'ordre des infirmiers, mais aussi comme bilan, orienter les gens sur les fondamentaux des soins infirmiers et nous rapprocher davantage du système de santé pour être intégrés dans la définition des politiques. Mais vous allez me dire qu'il y a énormément d'insuffisances qu'on ne saurait en tout cas expliquer. Mais tout compte fait, nous avons tout fait en tout cas pour nous reconnaître dans le système de santé. Et euh, restons toujours dans ce même siège, Le président national de l'ANIDES, Ismail Mbaye, est revenu également ce dimanche à Kaulak sur les perspectives de l'association. Nous l'écoutons toujours au micro de Vieille. Les perspectives que nous avons, c'est de pouvoir davantage d'emblée mobiliser autant d'infirmiers, de faire connaître l'essence même de cette organisation, d'une part. Mais d'autre part, de faire reconnaître la position des infirmiers dans le système. C'est de quoi De voir la création de l'ordre des infirmiers pour qu'on puisse délimiter le champ d'action et garantir l'exercice professionnel au sein de notre pays et éviter véritablement certains conflits, certains différends que nous avons entre les catégories socioprofessionnelles professionnelles d'une part, mais aussi que nous avons vis-à-vis des populations dans le cadre de l'exercice professionnel. D'autres perspectives, c'est d'avoir des instances nous permettant de nous reconnaître, de dire notre mot. Pourquoi pas un bureau au niveau du ministère de la Santé, bureau ou bien division des soins infirmiers, mais aussi au niveau de la santé communautaire, avoir un bureau ou bien une division des soins santé primaire, mais tous ces démembrements, nous voulons que ça soit géré par un cadre infirmier pour qu'on puisse au moins parler au nom des infirmiers et prendre en compte les préoccupations de ces professionnels, étant entendu que nous sommes le pivot du système de santé. Donc cela va sans dire que nous devons en tout cas faire valoir notre position dans le système. Maintenant, autre perspective, véritablement, c'est de nous reconnaître dans les structures sanitaires au niveau de l'hôpital, pourquoi pas chercher à mettre en place un cadre comme la commission des soins infirmiers. Mais l'autre perspective, c'est de voir la mise en de notre démarche, la démarche logique des infirmiers qui nous replonge en tout cas sur nos fonctions autonomes, c'est-à-dire la fonction d'assistance. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal sur euh, les ondes de la référence en direct du studio euh, à l'une moment Éclairage public 1000 lampadaires au bénéfice des populations des quartiers de Kaulak. L'acte émane du DG de la Sénélec qui a procédé samedi au lancement devant le calife général de Medina Baye, Chertidiane Dans le cadre de l'éclairage public, la Sénélec a lancé le programme de l'installation de lampadaires dans le département de Kaulaka. Mamadou Ndiaye, chef départemental de la distribution régionale de la Sénélec, le C'est de Madame Buté, directeur général de Saint-Lec, qui nous a instruit de venir faire l'éclairage public de toute la ville de Kaolack. Nous avons dépêché quatre équipes et quatre véhicules qui sont venus de Dakar, de techniciens avérés pour faire les branchements et charger toutes les lanternes au niveau de la commune et du département de Kaolack. Pour cela, nous allons commencer ici au niveau du Khalif. Mamadou Ndiaye est revenu sur la qualité de ces lampadaires et le budget dégagé pour ce projet. Nous avons présenté les types de lanternes qui sont là et un nombre de 1000 au total. Tu les lampes, les nouvelles lampes de type de euh, LED avec 3 œillets 150 watts. Sur les nouveaux types de la Terre. À part Dakar, je pense de Kaolak sera la première ville qui va se doter de ces lampes qui sont économiques parce que ce sont des LED. Le coût global, si on prend une lampe de complète, c'est 60 000. Donc sur les 1000 au niveau départemental, M. le directeur général a débloqué un montant de 100 millions ne sert que pour la fourniture. Si on y ajoute les véhicules, les prises à charge, donc on va tourner autour de 110 millions pour ce projet au niveau départemental. Un acte vivement magnifié par la mairie de Kaulaka qui a été représenté par Dr Mbaïgueye, l'adjoint au maire de Kaulaka. Nous félicitons de cet événement qui fait suite à ce qu'on appelle le plan al Kaulak que le maire M. Seringou, a bien voulu lancer depuis quelques temps. Ce plan taral Kaulak qui comporte plusieurs volets, le volet de l'assainissement, le volet de la propreté, le volet de la lutte contre les inondations, le reboisement, l'éclairage public. C'est dans ce cadre que le maire Serigne a bien voulu rencontrer le Président de la République, M. Macky Sall, pour demander un soutien de l'État par rapport à ce programme qui va éclairer la ville de Kavlak. Alors nous avons choisi la ville de Medina pour d'abord recevoir les bénédictions des Khalif. Le calife général de la Faïda Tigania, Cheikh Mohamedoul Mahi, Cheikh Ibrahim Agnès, a formulé des prières et salué cette initiative de Pape Mademba Bouteille, directeur général de la Sénélec. xam ne yaakaaruñ ko woon. yéen yàlla defal leen ko. délégué régional de la Sénélec, Aymirou Ndiaye, a évoqué devant le calife et le public venu assister au lancement l'objectif du DG de la Sénélec à travers donc cet acte en collaboration, bien sûr, avec les collectivités territoriales. L'entretien de l'éclairage public des communes est une compétence transférée aux collectivités locales, mais aujourd'hui, le maire de Kaolak nous a saisi en tant que Sénélec pour lui demander de l'accompagner. Et vous dire que l'accompagnement de cette pour les communes est une constance. À chaque fois que les maires nous sollicitent, nous Sénélec, en appui, on les vient en appui, mais c'est des appuis ponctuels. À travers les événements religieux, à travers des manifestations, nous venons souvent pour faire des entretiens périodiques, mais l'entretien en tant que tel est une compétence transférée. Et maintenant, au niveau de Kaoulak, on est en train de réfléchir sur un modèle de convention en interne qui puisse maintenant associer Sénélec à l'entretien de manière permanente et pérenne. On est en train de réfléchir sur cette convention-là. On pense qu'on va y parvenir, Inch'Allah comptez démarrer les travaux aujourd'hui C'est pour combien Bon, ça ne va pas durer. Une semaine maximum, ça va finir. On va terminer l'entretien. Maintenant, on décidera sur la suite de ce qu'on va faire du reste. Pour le moment, nous nous attaquons les points les plus sensibles les priorités ont été définies avec la mairie. La priorité, c'est les axes, les entrées de la ville qui ont été définies dans un programme qui a été défini entre les autorités compétentes de la mairie et Sénélec. La mairie a exprimé des besoins, nous allons les satisfaire. Maintenant, une deuxième étape consistera à évaluer le reste et de voir comment faire. Et dans un proche avenir, on pense que l'éclairage euh, ne sera plus qu'un vieux souvenir. Si on ajoute euh, le programme d'éclairage solaire de l'État, je pense qu'il y a 6000 antennes qui sont prévues pour la commune euh, de Kaolak, pour tout le département. Ajouté à ce qu'on est en train de faire, je pense que l'éclairage va s'améliorer. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Nous suivons toujours dans, sur les ondes de la référence politique le parti de Moudi Fada, membre de la coalition présidentielle en mode de sensibilisation par rapport à des questions axées sur les enjeux des élections législatives du 31 juillet prochain. À ce propos, suivons le secrétaire général départemental du parti, à Kaulak en l'occurrence M. Mapate Ba. Nous menons cette campagne électorale de manière très engagée, très déterminée, pour faire en sorte que la liste Bernobo Kayakar puisse remporter les élections au soir du 31 juillet 2022. C'est parce que nous sommes membres de Bernobo Kayakar et lors de notre dernier bureau politique national, nous avons réaffirmé notre ancrage dans cette coalition, en tout cas de participer aux élections et pour faire triompher cette liste. Tout simplement parce que nous disons qu'avec le président Macky Sall, le Sénégal est en train de faire des progrès importants. Le bilan et reluisant. Il y a des réalisations concrètes que tout le monde peut voir, palper, contrairement à ce que veut l'opposition aujourd'hui, parce que l'opposition qui est en face, ce n'est pas une opposition démocrate, c'est une opposition insurrectionnelle, arrogante, qui passe tout son temps à dénigrer, à manipuler l'opinion. Cette opposition-là, si malheureusement elle parvient à avoir une majorité, ce sera le blocage du pays, parce que son objectif, c'est d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, de vouloir imposer une soi-disant cohabitation pour bloquer la marche du pays et créer une instabilité. Donc cela ne sera pas profitable aux Sénégalais. Donc il faut tout faire pour éviter cette cohabitation, faire en sorte que beno puisse gagner les élections. Puisque aujourd'hui, nous sommes dans un État où le régime est un régime présidentiel et l'opposition fait semblant de ne pas le savoir parce que nous n'avons pas de régime parlementaire. Dans le cadre du régime parlementaire, si c'est le camp qui gagne les élections, qui propose le premier ministre qui est nommé par le président de la République. Or, ici, dans le cadre du régime présidentiel, c'est le programme du président de la République qui est appliqué. Aujourd'hui, le rôle du député, ce n'est pas dire que je vais proposer un tel programme, etc. Mais le rôle du député, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Donc, euh, les autres propositions maintenant faites par l'opposition, ce ne sont que des propositions démagogiques et populistes, eh bien, pour capter un électorat qui ignore peut-être comment fonctionnent les institutions et notamment l'Assemblée nationale. L'association Domi Réumi qui apporte son soutien au président de la République sur la route menant à l'Assemblée nationale. L'opposition fait la promotion de l'homosexualité, a indiqué. Alassane Sissé, interrogé sur le refus de la 13e législature de voter dans le sens de la criminalisation. La 13e législature n'avait pas accepté ça, d'autant plus que notre arsenal juridique ne permettait pas, faire en sorte que les actes contre la nature sont punis. Vous savez, on a criminalisé le vol de bétail, le viol, la drogue, mais c'est l'engorgement des prisons. Maintenant, criminaliser l'homosexualité alors que nos lois protègent les Sénégalais contre ce fléau, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. D'autant plus que le Sénégal a toujours refusé de cautionner l'homosexualité. Alors, quand ces gens ont déposé une loi criminalisant l'homosexualité, mais naturellement, le bureau de l'Assemblée l'a refusé parce que notre arsenal juridique protège cela. Maintenant, le fait qu'on en a fait une agitation politique sur les locales et le fait qu'il y a deux semaines que le Sénégal ait refusé de signer avec la Libye, ces deux seuls pays ont refusé de signer, De faire en sorte que ces urgences-là se retournent pour dire merci au Sénégal. Et ces gens-là continuent de faire du tapage sur ce fléau. Cela veut dire qu'ils ont été payés pour faire de l'agitation politique sur l'homosexualité pour que ça devienne une question qui soit discutée par le peuple. Ce que nous refusons, comme le disent les Wolof Dakar, Doussaf Yon, c'est des gens qui ont été payés pour faire la promotion de l'homosexualité. La méconnaissance du rôle du député imputé à l'opposition qui est en campagne électorale met sur la table des questions qui n'ont rien à voir avec un parlementaire, à déclaré. Lors de ce point de presse, Abib Pandawa, il est donc le coordonnateur de l'association Domi Réumi et nous l'écoutons dans ce JP au micro de Cheikh Babacar Dia. Quand je dis la pollution, c'est que l'opposition et la perception a été développée par une méconnaissance du rôle du député. Le premier rôle du député, c'est le vote des lois, particulièrement de la loi. Pourquoi vote des lois Parce que l'exécutif n'a pas un rond. Il conçoit des projets, il l'amène à l'Assemblée nationale représentant la peuple qui autorise. Quand vous entendez que le ministre va à l'Assemblée nationale pour qu'on vote le budget, le ministre il va dire voilà tous mes projets, Fonds de l'émergence, Corps de Diane, la santé, l'éducation, le développement, et les infrastructures, globalement. Et maintenant, le député étudie en commission les propositions du gouvernement. Le gouvernement lui dit, c'est comme dans une famille. Le père de famille, le matin, la ménagère, sa femme au foyer lui demande de faire le repas de midi et lui donne une liste de condiments qu'il doit acheter. Et le père de famille sort l'argent. C'est exactement le rapport entre le député et l'exécutif. L'exécutif conçoit des propositions de loi, qui, je veux faire ceci, cela, vient devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale regarde, et ça c'est le deuxième rôle, la deuxième mission, regarde l'adéquation entre les ressources demandées et les investissements à réaliser et autorise à travers ce qu'on appelle la loi de finances. Donc, premier, vote des lois, particulièrement de la loi de finances, qui est la plus importante. Deuxièmement, contrôle de l'action gouvernementale. Contrôle de l'action gouvernementale, en quoi pesant Quand l'exécutif vient présenter des projets, quand il y a un scandale, les inondations, il y a ce qu'on appelle les questions écrites, les questions orales. C'est une forme de contrôle de l'action gouvernementale. On contrôle ce que fait le gouvernement. On contrôle l'utilisation des ressources. C'est la loi de règlement. Législature, ou en tout cas le travail des députés de Kaulak remis en cause par le candidat de la coalition Buntubi dans le département Maud que nous écoutons justement au micro de Aline Badara Diop. Actuellement, on est à 70% même euh, du travail, car bon, la population calocoise est maintenant très consciente mm. des gens, même aussi pour la 14e législature qui va s'ouvrir bientôt même. Et je désole et je plains beaucoup pour, pour la 13e législature, au moment où bon, nos représentants qui ont été élus par la population calocoise n'ont pas bien représenté dignement la population calocoise. Au lieu de représenter aussi la population calocoise, ils ont préféré représenter aussi le président. Seul Kaolak, je dis bien seul Kaolak, à l'Assemblée nationale, on n'entend pas les, nos représentants qui sont là-bas parler des mots, défendre aussi nos de localité. On se plaint beaucoup. Kaolak que la population kaoloko est en train de souffrir. Et maintenant, y a, euh, tout, n'est pas aussi à Kaolak. Et je dis bien aussi à la population Kaolak de faire un bon choix. Faire le bon choix, c'est de porter la candidature de de c'est de voter aussi pour, euh, pour de car tu veux faire une bonne campagne, mais aussi on a besoin d'être euh, majoritaire, on a besoin aussi des électeurs, on a besoin aussi du changement. Le changement, c'est votre frère, c'est ton jeune Kaolak qui est Moua de pour Quelles sont les stratégies, stratégies utilisées pour convaincre la population au moment actuel, bon, je peux même parler de stratégie, car bon, je refusais même de parler de stratégie <laughs> avant la campagne pour ne pas <laughs> être gossipé. Mais bon, nous, on a accès même à la rencontre même B2B, mais aussi de, des des visites à domicile, rencontre aussi la population. Mais ce, le constat qu'on a est simple. Hein. La population kaolokoise est abandonnée, et oubliée, laissée par les autorités kaolokoises. C'est simple. Et maintenant, bon, on a eu plusieurs d'expériences et maintenant, pour cette semaine-là, on, va même faire une, une autre campagne de proximité. Vous verrez que niveau maintenant, les données vont changer et pour la liste coalition La restructuration de l'administration, un chantier qui sera entamé, bien exécuté une fois à l'hémicycle avec des orientations et des projets. Maud semble la tête de liste départementale de la coalition Buntubi que nous réécoutons avec Aline Badara Diop. Les différents partis sont simples. Nous voulons même restructurer même l'administration car maintenant pour avoir accès même à certains documents qui sont le cas de l'extérieur ça pose problème à certains, certains euh, concitoyens. Maintenant aussi, bon, accès aussi sur la santé, c'est-à-dire les services prioritaires, qui est l'habitat, la santé, le sport et tout ça, l'eau potable est un problème. Mais aussi, aussi de tout faire pour, euh, pour imposer les 5 mégapôles qui sont le pôle centre, pôle nord, pôle est, pôle, ouest, aussi le grand pôle centre qui est Kaolak, Fatik et Kafrine. C'est seulement ça pour nous qui est une stratégie plus efficace pour redorer le blanc, mais aussi pour faire développer aussi nos localités. Mais aussi, aussi l'administration publique mérite aussi d'être revalorisée pas mal d'autres. Il y en a d'autres aussi qui sont là et à qui pour nous proposons à la population du Sénégal, plus particulièrement ah, de manière générale, mais aussi à la population kaolokoise de voter aussi pour la coalition avec leur programme qui est le Sénégal Entrepreneuriat et Solidaire. Est-ce que aussi vous avez fait un clin d'œil à la jeunesse Bien sûr. Bon, c'est réciproque. Hein. J'ai fait un clin d'œil, mais il y a la jeunesse aussi qui me, font, qui font clin d'œil, qui me fait clin d'œil. Et tout en se sentant que, bon, étant un jeune, et pour la première fois à l'histoire politique, on a porté un jeune plus responsable à la tête du département par une grande coalition. Et c'est un mérite pour toute la jeunesse kaolackoise et j'appelle aussi la jeunesse kaolackoise à porter leur soir pour le président Morissam car seuls les jeunes peuvent défendre les jeunes. On ne verra jamais les vieillards peuvent défendre aussi les jeunes. Et euh, j'appelle aussi bon, les femmes porteurs de projets à venir massivement voter pour la coalition Buntumi et vous porter leur soir pour le, sur le président Morissam. Le conseil est unanime. Euh, parfois, on constate que la politique euh, cohabite avec la violence. Est-ce que vous êtes pour Et aussi, vous avez un appel à lancer à l'endroit de la jeunesse qui font ça Je condamne fermement cette violence. Fermement cette violence euh, pour, une simple raison. Car la politique, dès lors, est un débat d'idées. Ce sont des programmes, des projets et l'idée qu'on va défendre. Pour la jeunesse qui va parcourir contre la violence, en général, les violences entre l'opposition et le pouvoir, pouvoir. Maintenant, on a constaté récemment que c'est dans le pouvoir, pouvoir même qu'il y a la violence. Et ça n'honore pas aussi l'image de Kaolak, surtout. Et j'appelle au calme tous les jeunes, j'appelle au calme aussi toute la population kaolakoise à bannir la violence, mais aussi à se tisser de bonnes relations, mais aussi à faire appel au calme, surtout aussi les candidats. Il faut que les candidats investissent sortent, les leaders sortent pour expliquer les réalités qui sont là-bas. Car moi, j'ai des amis des autres camps. Et pourtant, on échange, on partage beaucoup de choses, mais pour la vision politique, on est différente. Et là, c'est qui est important. Maud semble la tête de liste départementale de la coalition Buntubi. Et puis Andjedjen, dans le cadre de ses activités de campagne à la quête de l'électorat. La coalition Yewi dit avoir noté sur place l'adhésion des populations. Tête de la liste départementale de Yewi à Kaulak, docteur Abdou Aziz Mboche, que nous écoutons. La caravane départementale de la coalition Yewi Askanbi était à Andjedjen, où nous avons accueilli plus leaders. Je les ai reçus chez moi et nous avons visité plusieurs villages où nous avons bénéficié d'un accueil populaire qui, montre l'adhésion de la masse populaire des électeurs de à la cause de la coalition Yehu Évidemment qu'ils ont déjà choisi et nous avons la conviction qu'ils vont renouveler et qu'ils vont confirmer leur position du 23 janvier. Nguyen a choisi très tôt le changement et l'une des rares communes où la population avait déjà choisi le changement. La coalition marche et démontre à la population les ambitions que nous avons pour le Sénégal, les ambitions que les leaders de la coalition ont pour le Sénégal et les ambitions que nous avons pour la prochaine législature, la 14e, qui devra être une rupture totale par rapport à la 13e législature qui a fini de démontrer son échec, une législature sans bilan. On a demandé sans cesse à Beno Bokuyaka de faire le bilan de leur 13e législature, disposer d'une majorité écrasante. On a demandé à plusieurs reprises de nous présenter les bilan. Tout ce que nous savons, dans l'histoire du pays, dans l'histoire du Parlement sénégalais, dans l'histoire de l'Assemblée nationale sénégalaise, c'est la législature la plus médiocre qui justement s'est particularisée dans les levées d'immunité parlementaire, dans le vote des lois scélérates, dans l'utilisation abusive de la procédure législative. Une législature transformée en chambre d'applaudissement, chambre d'insulte et en chambre d'enregistrement. Ce qu'il faut changer en redonnant au Parlement sénégalais, à l'Assemblée nationale son liste d'antan, une Assemblée nationale de débat, une assemblée nationale où on co-construit les lois, une assemblée nationale où toutes les opinions comptent, une assemblée nationale où toutes les sensibilités comptent, avec des députés qui, justement, prennent en charge et en bandoulière les intérêts des populations, les intérêts de leur localité. Nous nous engageons à représenter dignement Kaola. Actualité internationale. International, Elle porte dans la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Mbalo, président en exercice de la CDAO, est à Ouagadougou depuis hier. Sa mission vise à évaluer la situation sociopolitique au Burkina Faso. L'armée malienne a affirmé dimanche avoir déjoué une nouvelle attaque contre un camp militaire du centre du pays. L'attaque a notamment visé dimanche à l'aube le camp de la garde nationale du Mali à Sévaré. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste neutralisé selon l'armée malienne attaque est intervenue deux jours après celle de Kati, vendredi, au cœur de l'appareil militaire malien, revendiqué par les djihadistes de la Katiba Massina, affilié à Al-Qaïda. Cette attaque suicide commise avec deux camions piégés a tué au moins un soldat malien, fait six blessés, dont un civil, tandis que sept assaillants ont été neutralisés et huit autres arrêtés. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov est arrivé la nuit dernière à Oyo au Congo-Brazzaville pour s'entretenir avec le président Denis Sassou Nguesso. Sergei Lavrov effectue une tournée en Afrique débutée en Égypte. Il devrait partager avec le président congolais la vision russe de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et discuter des projets bilatéraux entre les deux pays. Le Libéria a officiellement légalisé la double nationalité, mettant fin à une interdiction de longue date que certains jugeaient hypocrite car contournée secrètement par des élites détenant la nationalité américaine. Le projet de loi promulgué vendredi par le président George Weah a été adopté mardi à la Chambre des représentants et au Sénat. Le Libéria, plus ancienne république d'Afrique subsaharienne fondée au 19e siècle sous l'impulsion des États-Unis pour des esclaves noirs affranchis, compte une importante diaspora vivant en Amérique. Trois mois après sa réélection, Emmanuel Macron retourne en Afrique. Ce déplacement de quatre jours permettra au président français de réaffirmer son engagement avec le continent africain. Le président français visite ce lundi et pour la première fois le Cameroun. Il se rendra ensuite au Bénin et en Guinée-Bissau. Les Tunisiens sont appelés aujourd'hui à se prononcer lors d'un référendum imposé par le chef de l'État, Kaïs Saïd, sur une nouvelle constitution controversée qui renforce les pouvoirs du président et pourrait faire rebasculer le pays vers un régime dictatorial similaire à l'avant 2011. Le président Sayed considère sa refonte de la Constitution comme le prolongement de la correction de cap engagée le 25 juillet 2021 quand estimant certains blocages politico-économiques, il a limogé son premier ministre et gelé le Parlement avant de le dissoudre en mars, mettant en péril la seule démocratie issue du printemps arabe. le plus grand parti d'opposition, notamment le mouvement d'inspiration islamiste et nara, bête noire de M. Sayed, ont appelé au boycott du scrutin, invoquant un processus illégal et sans concertation. c'est l'heure de lui dire euh, bonjour, façon de l'accueillir en studio. Moussa Khan pour la page sportive. Bonjour André Fatou et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec les éliminatoires de la Cannes Beach que le Sénégal a très largement remporté son match aller en s'imposant samedi au Cameroun 9 contre 1. Finale Cannes féminine après cinq échecs en finale. L'Afrique du Sud a enfin monté sur le toit du football africain féminin en battant le Maroc 2 buts à 1. Mercato Mamadou Lumdiaye qui arrive en près du FC Porto Reading FC devrait encore se renforcer avec notre footballeurs sénégalais, les Royals ont trouvé un accord pour l'arrivée de Nabi Sarr. Golden Boy 2022, ils étaient 100. Après une première liste publiée, ils sont maintenant 80 dans la liste où figure le vainqueur. Parmi eux, les milliers de terrain Pape Matar Sarr, 19 ans, et l'Italo-Sénégalais du Benfica Lisbonne, Chernour, 17 ans. Nathan, pour terminer avec son patron Amadou Kan, au micro de Serine revient sur une saison paisible et sans violence. Il a aussi évoqué les affiliations et réaffiliations à Kane au micro de Serigne nous prions au bon Dieu une saison de paix une saison tant de succès sans violence. Vous savez, ONCAV avait sorti une lettre pour euh, l'affiliation et les réaffiliations. Et je pense qu'il n'y aura pas de changement pour cette année. À partir du code disponible sur la plateforme, tu pourras avoir toutes les infos nécessaires. Et si tu perds ton code à travers ta zone ou cave, tu pourras saisir euh, l'autre cave qui te remettra un autre code. Vous savez, le fondement du e Neutan, c'est les réaffiliations. C'est important donc. Sans la réaffiliation, aucune démission ni transfert ne sera possible. Donc, euh, impérativement, je demande à tous les clubs de se réaffilier pour un bon déroulement du Noétan. Voilà, NF, ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. du Sud de programme sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien, Welf le matin. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce lundi que nous ouvrons avec l'affaire Pam Sek. Fin de cavale. Comment l'évadé Pam Sek est tombé à Darou Karim À la une de plusieurs journaux, à l'instar de Vox Populi qui indique la gendarmerie l'a surpris après une géolocalisation. Politique, campagne électorale, débat public. Mimi Touré se dérobe et pose des conditions absurdes. s'indignant. l'indépendant. Évoquant le sujet, l'info parle des conditions impossibles posées par Mimi Touré et puis présentant à ses lecteurs aujourd'hui un dossier portant sur les duels télévisés en période électorale. Busby le jour parle d'une démocratie sans débat. Le journal qui relève le face-à-face impossible entre Sonko et Mimi relate les rendez-vous ratés entre Djouf et Wade, mais aussi entre Wade et Maki. Art Sénégal et beaucoup ni être à la solde de Macky Sall, écrit la tribune qui fait écho ce matin des propos de Tierno Bokoum. Euh, Ousmane Sonko est un menteur. Euh, tragique accident à Golam euh, Lenyai. Bilan du choc, Quatre morts d'une même famille. Bilan du choc, Quatre morts d'une même famille. Renseigne également à sa une ce matin la tribune. Abdoulaye Mamoudouli étrangle à mort son épouse Atiaba. Comment le meurtrier présumé a tenté de brouiller les pistes avant de passer aux aveux. Le titre est à la une de Libération qui renseigne que le meurtre suite à une querelle autour de la bourse de sécurité familiale a eu lieu à Galoya tout couleur. Et puis Suleiman Diaye, le directeur des infrastructures aéroportières à la une de terre quotidien, un pays ne peut pas se développer sans des infrastructures de qualité et aux normes. Et puis entre autres sujets, ce matin, Alerte quotidien fait état du retour à Touba de Serine Muntaha après une semaine passée à Paris. Alpha FM 90.1. Et à 12h, bientôt passé de 34 minutes à temps universel. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Arrêté hier à Mbaké par Momodou, c'est que l'un des présumés Membre de la force spéciale donne ainsi raison à l'administration pénitentiaire qui, il y a quelques jours, avait annoncé son évasion du pavillon spécial. La de par la voix de son président, dit condamné, l'attitude qui ne fait que corser les mesures déjà lourdes de la prévention. Au niveau des lieux de privation de liberté, son président en question, que vous entendrez dans nos prochaines éditions. La journée internationale des infirmiers et infirmières d'État célébrée hier dimanche à Kaulak en présence du président de l'Association nationale. Et puis euh, politique sur la route menant à l'Assemblée nationale du Sénégal. Les échos de la campagne électorale à Kaulak que vous avez suivi également au courant de ce JP dont le sommaire se résume ainsi. À la technique Kodou Sek Keneme, 13 Rongo vous euh, retrouvera pour la version Wolof. Le journal Nefa Toussissé.